bonsoir à tous et merci de nous retrouver ici à Dakar Arena. Vous avez vu la salle qui affiche le plein. Ce soir, on a joué à guichet fermé. C'était pour euh, les besoins de l'ouverture de cette saison 4 avec la conférence Sahara. La conférence Sahara, c'est la conférence de Dakar. Alors euh, aujourd'hui, donc jour de départ de cette conférence avec l'ouverture ou avec euh, l'entrée en liste du Sénégal. Il faut dire d'ailleurs que le Sénégal, représenté par la douane, va jouer tous les soirs. Donc aujourd'hui et demain également, il y aura marche. Alors ce que nous allons faire dans ces coulisses, dans ce premier numéro des coulisses Éco de Dakar, nous allons vous proposer tout à l'heure de revenir sur le match entre l'AS Douane et le River Hoopers. Mais vous avez vu que sur le terrain, c'est un match qui est âprement disputé. Très disputé d'ailleurs. Alors nous allons ressortir, aller voir dehors avec Fatima Silla l'ambiance d'avant-match, puisque avant le match, il y a les supporters qui sont venus de partout. Donc euh, c'est important d'aller euh, tâter le pouls des supporters, voir un peu comment ils apprennent cette confrontation, mais également comment ils voient un peu cette conférence Sahara c'est le premier élément et c'est tout de suite. Bonsoir Kandé, on va dire Day One de la Basketball Africa League, la conférence euh, du Sahara. Aujourd'hui, première sortie des Gablous, finalistes malheureux lors de la dernière édition. Ils vont faire leur sortie face aujourd'hui à une équipe nigériane. Ce sera une rencontre âprement disputée, mais comme d'habitude, les coulisses, c'est sur la 2 On va essayer d'aller voir les supporters qui sont venus nombreux. Vous vous rappelez juste qu'aujourd'hui, le match est joué à guichet fermé. Donc ça promet. Ça va Ça va, alhamdoulilah. noo tudd. Malick. Malick kan nga supporté fii. Asdouane. lan nga xam ci Asdouane. Euh, Asdouane gis naa ni équipe bu mag et que mooy favori fii si Sénégal et di ko ñaanal rek mu am euh, avancement bu baax par rapport ak euh, année bii passée franchement. mu jël coupe bi mu jël coupe bi voilà. lan ngay wax ci incha allah ndam rek. Hmm. waaw. masa bi na du yomb quoi. yéen da ngeen poussé ah. waaw waaw waaw incha allah let's basket. kan nga faral. Astor. Eh, waa ñëw bu supporté rek. mais Rose ne woo ma wax xamoo faral. ko yow ko faral. man damaa ñëw bu supporté rek. xamoo ne ngeen war a faral yéen ay sénégalais waaw ñun moom la ñuy faral kay. fan nga jógee. Dëgëj. Dëgëj na nga gisee compétition bi lan nga est-ce que kontaan nga. waaw nee na moom kontaan nañu bu baax sax. lan ngay supporté tey. AS Douanes. am nga yaakaar dañ koy. waaw. yow loolu wax. man kontaan rek xam nga championnat bi moom instant yii nii foog ñu wane suñu empreinte parce que AS Douanes daaw demoon na final mais dañ ko dóor parce que ren def nañ ay recrues yu bees changé waat nañ ci coach Pape daal ñu ngi koy ñaan mu gën a. focus si système yi gars yi gérer ko rek ñun ñoom ñu ngi fi di leen supporter rek ba keroog moom as douane rek. as douane rek ah. jaajëf pro yow foo dëkk. yëmbal lañ dëkk. yëmbal ngeen jógee ñëw si moto si. waaw. lan mooy sa joueur si équipe bi. man non sama joueur nag jàpp ma ko mooy numéro 15 bi. numéro 15 ah. bi. non match bi tey du yomb parce que AS Douane dafa pare ñun seetaan nañ entraînement yi te am nañ yaakaar ne day gagné. Ah, lan ngeen wax. AS Douane rek. lan ngeen wax AS Douane rek. nawoon fa woon fu ñu fu ñu jaaroon la ñuy jaaraat incha allah. du dañuy gagné xoolal yàlla baax na c'est la douane wala boog wala loo. a neex tey ci basket bi mooy ñun ndekete non war di dem ci basket bi di xool. man tey gis nga euh, équipe Rwanda bi ñi ma gagné match bi. ay ay APR ay détails yu ndaw la ko gagné. ñàkkoon na bi loo ma bëgg laaj yow loo may laaj waxal noo tudd. noo tudd. ah. foo dëkk. noo tudd. ah yow bëgg nga basket. oui. bëgg nga ko bu baax. ah yow français ngay làkk comment tu t'appelles. ah tu aimes bien le basketball ah. oui. ah comment tu trouves le basketball aujourd'hui ici à Arena. mais gars yi fa la jógee ñun Kaolack. que ngeen de basket-ball? waaw. ça fait quoi de voir la population kaolackoise aujourd'hui venir vous apporter. ah non non c'est les jeunes qui ont commencé un programme à Kaolak, le seed ride et ça se passe très bien et je crois qu'il y a beaucoup de filles que de garçons aussi hein n'est-ce pas. Eh, ce que noo tudd. maa ngi tudd Oumar Diallo. Omar nga bàyyeekoo Kaolack ñu gis la léegi ni benn forte délégation ñëw gunge tey ki nga xam ne mooy basketball africain yi wante kenn kooku xam ne doomu Kaolack la muy Galo. waaw euh, Kaolack lañ jógee parce que Galo biir Kaolack la dëkk parce que booy ñu indi tey Sid Reyes bi nga xam ne moom moo ko créé moom fa la dëkk te moo initié booy moo tax moom mu wutal ñu ñaari bis de cent soixante cinq personnes ñu ñëw pour jàppale ko parce que lii lépp rek pour dooleel baal bi la parce que comme doomu Kaolack la. mu organiser toll nii kon ñun dañoo war a jógee Kaolack ñëw jàppale si ko. loo wax si match tey bi léegi léegi. non match tey AS Douane bi ñun dañoo war a ñëw ci kawam gagné parce que amoon nañu fu ñu yóbboon équipe bi dañoo war a gën a yóbbu équipe parce que dem nañ ba final mais bi yoon dañoo bëgg jël final bi indi ko fii biir Sénégal. Voilà, on revient dans l'ambiance de la salle. Vous avez entendu donc c'est cris. Ça veut dire que ce match est très disputé, âprement disputé entre les euh, River Hoopers du Nigeria et euh, l'AS Douane du Sénégal. Mais auparavant, vous savez également, la Basketball Africa League, c'est l'ambiance hein, avec les dentistes donc, qui sont invités, qui sont conviés pour la prestation, pour faire plaisir à ce nombreux public qui est là à l'Arena pour suivre donc, euh, cette conférence Sahara, mais également ceux qui le suivent à la télévision. Alors, on va voir un peu une, petite partie de la prestation d'un groupe bien de chez nous, mais un groupe également qui est panafricain. C'est le Daradi. On voit ça. Everybody Voilà, donc toujours dans ce premier numéro des coulisses Eco de Dakar, on va vous proposer quelques moments forts et puis ensuite à la fin vous verrez l'ambiance de fin de marche avec bien sûr toujours ces équipes qui se frottent ici à Dakar Arena, River Hoopers du Nigeria et l'AS Douane du Sénégal. c'est terminé euh, qui François donc c'est terminé la douane qui s'incline 68 euh, douanes 77 river Hoopers du Nigeria alors comme l'année dernière cette année aussi la douane entame cette conférence Sahara par une défaite l'année dernière c'était deux défaites d'affilée et puis la douane s'est ensuite rachetée pour finalement se qualifier à la Final 8. alors cette année elle démarre encore par une défaite mais c'est un match qui était à la portée de la douane que la douane aurait pu gagner alors elle s'incline tout de même donc euh, par 68 à 77. 77 pour les River Hoopers du Nigeria. On va vous laisser avec Fatima Silla et Papillien à la zone mixte pour quelques réactions et puis on se donne rendez-vous demain. Demain, journée décisive. Les deux vaincus de ce soir, Monastir de Tunisie et Douane du Sénégal qui vont se retrouver, River Hoopers et APR du Rwanda vont se retrouver. Donc de matchs palpitants qui, se profilent demain dimanche. Merci à demain Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur 2 STV que vous n'avez pas sous-estimé aujourd'hui l'adversaire on, vous a vu aussi perdre beaucoup de balles. Oui, mais on ne les, a pas sous-estimés. On a surtout toutes les équipes qui sont dans ce tournoi, ils ont, ils ont un certain caractère, ils ont une certaine philosophie. Donc c'est vrai qu'on les, ne les connaît pas parce que nous tous on est nouveaux ici. Donc là on a, on a un aperçu de APR et Monastir qui ont joué et là on les a joués. Je pense qu'on va faire les réglages nécessaires. Et là, je pense que ça... Vous connaissez Monastir, demain vous allez jouer contre cette équipe. Comment on peut vous appréhender ce match on euh, tout d'abord, euh, c'est une équipe qui joue euh, ensemble depuis 6 ans. Donc j'ai eu à, jouer avec eux l'année passée. Donc on va essayer de juste rester solide et Inch'Allah essayer de, de, nos, potentiels. Une finale pour les deux équipes parce que Monastir aussi a perdu ce match aujourd'hui. Oui, ouais, c'est sûr, c'est une finale. Ce sera un match extrêmement dur. Mais on a besoin du public pour venir nous soutenir. Et là, moi, je suis sûr et certain avec le, staff technique on va faire les corrections nécessaires. Et inshallah, demain, je pense qu'on aura un bon match et inshallah, on va gagner. Les clés du match, c'était euh, la défense surtout, car euh, ces joueurs-là, voilà, c'est des, gros joueurs offensifs euh, avec, de gros potentiels. Donc je pense que les arrêter en, attaque, c'était vraiment le, point d'honneur. Et vraiment, c'était vraiment un gros boost pour cette équipe du Nigeria qui... Dans, les années précédentes, voilà, les équipes nigériennes n'ont pas, pas eu beaucoup de succès. Pardon. Et euh, on essaie de changer euh, euh, cette, mentalité-là et essayer d'avoir le plus de victoires possible. Comment vous appelez le reste de la compétition chaque match c'est une finale. Oui, voilà, voilà, on va jouer chaque match comme si c'était le dernier match, comme si on allait être éliminé. Donc on va jouer avec le cœur, avec la ferveur et on, on va jamais rien lâcher.